Nous sommes à l'école Baragay, euh, Baragay A et l'école Baragay B. Baragay A, le directeur euh, qui s'appelle euh, M. Boniface Sarr et l'école Baragay B, euh, il y a la, Madame qui s'appelle Madame Fatou Donc nous sommes venus ici pour la réception des fournitures scolaires données par le club Congo Machine dont le président euh, qui s'appelle Aliag, un des fils de, Anne, qui est venu ici avec le club voilà, pour donner euh, des, documents, des fournitures scolaires à l'école Baragay à Ebé. Donc euh, nous, nous réjouissons de cette réception de ce don. Donc je vais vous laisser la parole à, à, voilà, un des représentants du club euh, Smashing Club Congo. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Donc euh, je suis Ayoub, un, des pratiquants du club du Congo Smashing Club. Donc nous sommes venus ici avec euh, Ali Lag, notre coach, pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants de Anne. Donc on remercie de votre accueil c'était vraiment très gentil à vous. Aussi les enfants, ça nous a fait plaisir de voir les enfants contents comme ça. Et on espère euh, qu'ils vont pouvoir euh, bien profiter de, ce matériel et que nous, on pourra continuer à en apporter et à renouveler ça le plus possible. On sait que l'éducation est très importante, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, et que c'est le futur. C'est le futur et c'est eux plus tard qui, qui vont porter la nation. Donc c'est très important pour nous, ça nous tient vraiment à cœur et on espère vraiment pouvoir euh, renouveler ça le plus souvent possible. Donc là aujourd'hui, on va faire, euh, on va tourner dans les différentes écoles de Anne pour distribuer des fournitures. Et puis voilà. Et puis aussi, ça nous fait plaisir de voir euh, comment ça se passe ici, parce que nous en Europe, on n'a pas le même mode de vie, on s'aperçoit de la différence et ça nous donne vraiment envie de, faire plus et de donner plus de moyens aux enfants de Anne. Voilà. Merci. C'est un sentiment de de, fierté, de satisfaction hein, que, de, recevoir ce, matériel scolaire. Euh, ça, vous savez que euh, ce matériel euh, constitue des intrants dans la la qualité, surtout, de la performance. Hein. Vous venez dans une école qui, en termes de performance scolaire, fait de très bons scores. C'est l'une des premières écoles dans ce, dans ce département de, de grande en termes de résultats scolaires. Ah, c'est dire que euh, l'éducation au niveau de Anne occupe une place prépondérante. Et je suis avec peut-être des conseillers municipaux, des, responsables de la, municipalité, qui en fait euh, suivent de très près, en tout cas, l'éducation au niveau de, Anne. Ce qui fait qu'au niveau de, Anne, on se glorifie des résultats scolaires, pas seulement à Baragay, mais au niveau de toute la commune, qui est la première commune en termes de, résultats scolaires dans ce département. Alors vous venez à cette période nous apporter ce matériel-là, c'est vrai que nous, nous sommes en fin d'année scolaire, mais dans deux mois, nous allons préparer la rentrée scolaire. Et euh, cette rentrée-là, euh, avec euh, d'autres ressortissants qui sont à, l'étranger, font de même quand on prépare souvent l'ouverture. Mais vous aussi, avec votre association Congo Smart Club, n'est-ce pas, vous associez à tout ce que les autres font. Nous sommes au courant de ce que vous avez eu pu faire euh, euh, il y a deux jours de cela au niveau de Anne, en appuyant le côté sport, n'est-ce pas, que ce soit les ASC, que ce soit les autres clubs sportifs. Donc, et ça sous la houlette de, de, de, Aliyag. Hein, il a été élève ici, peut-être qu'il le dira. Donc, c'est dire qu'il est qu'il a fait un retour au royaume d'enfance, si on peut le dire euh, comme ça. Il a fait ses pas ici dans, dans l'éducation. S'il revient ici avec vous, n'est-ce pas, offrir ce don, n'est-ce pas, c'est en tout cas c'est comme s'il n'avait jamais oublié ses premiers pas, n'est-ce pas, euh, euh, dans l'éducation. Ça, c'est en tout cas c'est réconfortant. Ah, beaucoup sont passés par là. Peut-être qu'il y, en a qui ont fait ces genres d'efforts, mais quand il le fait lui, c'est parce qu'il est reconnaissant. Alors comme je l'ai dit tantôt, ce matériel-là, nous en ferons bon usage ça va contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité, ça c'est sûr, parce que c'est un, un pédagogique, tout comme en tout cas, les Nous nous réjouissons de cela. Et aussi, euh, en tout cas, vous souhaitez la bienvenue ici au, niveau de, du Sénégal, au niveau ici d'Anne particulièrement, et dit aussi, vous exhortez, quand vous, en tout cas, à, euh, à votre tour, n'est-ce pas, de, encore de mieux mobiliser Hein, euh, d'autres fournitures, en tout cas beaucoup de matériel, n'est-ce pas, hein, pour, les écoles de, Anne. Madame Diaw Fatou, directrice de l'école Bargay euh, B. Nous avons ngi groupe scolaire A et B de recevoir l'association Congo Machine Club Nous avons des élèves Nous avons élèves fournitures scolaires importantes Euh, ki ko jiitee di doomu dëkk bi Ali Yàgg jàngee ci école bi donc jiite ko ñu indil ñu matériel bu important boo xam ne mi ngi ñëwee ci moment bi biñ ko gën a soxlaa parce que suñu xale yi soxla nañu matériel bi donc mi ngi participer ci développement école bi soxla nañu ko parce que euh, seen association bi fan yi ñëw nañ ci dëkk bi indi nañ yamuñu non seulement ci école bi mais indi nañ yeneen matériel jëmale ko ci côté sport association sportive yi indi fa ay matériel tey ñu ñëw ci école bi indi fi ay matériel aussi ñu leen ciy remercier di leen féliciter di leen xam ne liñ lim ñu defal daal yëg nañ ko rëy na torop ci ñun di leen di leen ñaanal daal affaire bi ñu gën koy man à chaque fois parce que soxla nañ ko suñu école bi soxla na loolu bu ñëpp defoon ni moom par exemple Ali yàgg bu ñëpp defoon ni moom parce que am na ay yeneen moroomam yu fi jaar comme association doomu yaraax moom tey mi ngi ñëw moom it participer ci ak yeneen euh, ressortissant yaraax y en a d'autres aussi donc soxla nañu ñu mel ni ñoom jàngee ci école bi dem ba nekk au niveau international comme je peux le dire di fàttalikuwaat école bi ñu jaaroon loolu dafa nekk lu rëy si ñun donc ñu leen di ñaanal affaire bi ñu gëna man ñaanal leen seen association bi gëna jëm ci kanam chaque année ñu liñu man reet yal nañ koy gëna man chaque les années à venir. Euh, asalaamaaleykum waa waa waa Sénégal asalaamaaleykum waa waa Yaraax donc euh, man Aliag président Congo machine club sport de club sport de combat de MMA tay ma fi ñoo ànd ak samay samay mbokk euh, ñëw ci école Bargay Bara Gaye euh, A bi ak B and ak euh, directeur bi ak directrice bi pour def geste bu ndaw en fait geste bu touti euh indi ay matériel scolaire ak ay ay jouer pour xale yi partagé ak euh, bon loolu affaire bo xamni def ma seet na sama xol lutax parce que fii laa jógee fii laa jàngee fi la nekkoon xale donc yalla dogal ba tay jii nii ma nek mak donc fàtte mo fi mu jogué donc tey jii école bi ah, incha allah ñu ngi ñaan yalla li gëna jëm kanam parce que éducation mom may base surtout aduna bi bo amul éducation bu paré euh, amo jàng sa yàlla rek a xam mais sa kii sa kii du sa yoon du sori donc man mi di wax xamna ci dara euh, li may wax xam ko fi la joggé tay suma ma ba nek euh, ba nek peut-être royukaay yu ñu bëri surtout ñi nga xam sama samay élèves nañu.

Euh, tay ñu côté scolaire bi et ainsi de suite C'est ce moo ñu fi indi mission wu dox jamm ci diggante ñaari dëkk yi muy suñu dëkk ñun ñaar ñun ñun ñëpp ñi ma andal ni tay jii ni ni ni tay tey ni ay Sénégalais ñu xam nga té man aussi daf ma neex xam ni li ma leen di li ma leen di won ba tay ñu tollu fi ba bëgg ñëw Sénégal surtout yarax pour xam fan la fierté la population